dañu wara def bilan bu ndaw ci fan yi nga xamné mom lañu activité euh, campagne électorale élection législative 2017 Nous nak fiñu taxaw ñu ngi euh, ci bir Zac Mbao euh, localité bu am solo ci commune de Mbao parce que constaté nañu nombre de bureaux de vote dafa yokk bu baax a baax a baax a baax a baax euh, on est passé de quatre bureaux de vote à euh, sept bureaux de vote donc euh, nekk na localité bu am solo ci disposition bi nga xam ne jël nañ ko pour dans le cadre des porte à porte yoo xam ne moom la ñuy def li am solo maa ngi taxaw fii ak Benno Bokk Yaakaar la coalition Benno Bokk Yaakaar de la commune de Mbao ki nekk sama droite euh, c'est le coordonnateur du parti socialiste euh, Abdou Ndoye Moi, mooy le bu AFP euh, Banel de la LD ak a des responsable APR yi nga xam ne ñoo Nous commune bi ñu tëral un programme visite de proximité de 10 h à 18 h Nous devons continuer ci ay réunions des rencontres que nous organiser avec les ASC tey nag am satisfaction pour rëy parce que démb la ñu dugg fii si biir Zac euh, retour d'information yi ñu am dalal na suñu xel def nañu cité police demb dem ba cité RTS tay ñu ngi bir CAPEC partout fuñ jaar ñom ñëpp dañuy déclaré ni liste Benno Bokk yaakar bi la voter té lool nak lu am solo la euh, dañ ci sant yalla bu baax liggéey bi nak dañ koy continuer dañ koy continuer euh, ba élec ba campagne électorale bi jeex Madame le le 28 inshallah ba minuit 28 dinañ ci terrain bi def le président de la république santane moy au contact des populations lool la amone tout li may wax ma ngi sante bu baax wa Benno les populations de la Zac dinañu jox ki nga xamné mom moy euh, euh, Abdou euh, responsable parti socialiste nek kilifa mak ci coalition bi euh, moom tamit vraiment Abdou ñu ngi lay féliciter parce que bin tambalé tàmbalee ba léegi bi ba Abdou il est avec nous du matin au soir bu savez le jeudi bi dañuy def benn caravane bu mag a mag a mag dinañ fi ñëw qui, fi waxtaan ak ñoom bu ma paree aussi mën nañ jox kàddu kenn si habitant wu Zac qui yi ki nga xam depuis démb aussi mu ngi sillonné ak ñun la <coughs> la localité de la Zac à la personne de Yaseida. En ce qui concerne euh, l'étape de la Zagmbao, euh, comme je le disais tantôt, depuis hier, nous sommes ici. Euh, nous avons fait la cité police jusqu'à la cité RTS. vraiment, ce que nous avons vu nous rassure encore une fois. Les populations, comme j'ai l'habitude de le dire, sont très enthousiastes et nous ont partout manifesté leur intention de voter pour la coalition Bernobok Yakar. Et cela ne nous surprend pas parce que le président de la République a à travers son plan Sénégal émergent, euh, réaliser un bilan euh, vraiment extraordinaire. Et c'est son ambition euh, pour le Sénégal et pour le, les Sénégalais et aujourd'hui connue de tous. C'est la raison pour laquelle, ici, dans la commune de Mbao, nous pensons que nous pouvons enregistrer une victoire éclatante de l'ordre de 95%. Inch'Allah. je suis accompagné au quotidien euh, par tous les membres de la coalition Benno Bokéakar, euh, particulièrement les partis les plus euh, représentatifs, les plus représentatifs dans la commune. C'est le Parti socialiste dont le coordinateur est notre frère Abdoundoui Dembaou, le parti de l'AFP dont le coordinateur est Elaj Ning, qui est avec nous représenté tantôt par Adja Mariam Sissé, ici présente, mais également par Banel qui représente euh, l'ALD. Les partis de la coalition Beno Bokéakar sont représentés à travers toutes nos activités de 8h à 18h. Après une pause, bien entendu, pause déjeuner, euh, nous procédons à des rencontres avec des associations, des groupements de femmes jusqu'à tard dans la nuit. Euh, je pense que nous sommes sur la bonne voie. cela nous permet de penser que nous allons gagner très tôt euh, les élections euh, législatives ici dans la commune de Mbao par la grâce de Dieu. Euh, notre programme s'articule autour des visites de proximité. Nous n'avons programmé qu'une seule caravane durant la campagne. Tous les jours, nous sommes en proximité dans les quartiers. Nous sommes ici à la Zagmbaou pour trois jours. Dès qu'on termine la Zagmbaou nous allons aller dans le quartier populaire de Kermbaïfal, euh, rive gauche, rive droite. Et Inch'Allah également, nous allons rester pendant cinq jours dans cette localité euh, pour, euh, comme je disais tantôt, être au contact avec les populations. il est important que le représentant du Parti Socialiste, notre frère, ici présent, lui aussi donne ses impressions après ces quelques jours de visite de proximité et de porte-à-porte. Je vous remercie et Inch'Allah, on se donne rendez-vous demain pour euh, une autre journée de visite de proximité.